asalaamaaleykum. mais Pape xanaa reer aguloo. <laughs> si reer naa baax ñun Cissé lañ sant. ah ñu teel a reer. Pape naka mu. <laughs> yéen a ngi may dégg si nekk sa tur sa sant. Mhm. naka forme bi Pape. maa ngi nuyu ñëpp nekk si plateau bi. ça va alhamdulilah ñu ngi ci kaw mi ngi góorgóorlu euh, am beneen international sénégalais ngeen nar a bokk championnat ñu koy wax léegi Moussa Wagué nekk foofu sa ca PAOK Salonique. Euh, jot nga ko ba mu yegg si yow nga jotaguloo ko. waaw ça fait deux jours ñu ngi wax chaque jour ñu ngi wax téléphone quoi tey journée bi lañ déggantewul mais démb déggante nañ quoi. et le championnat grec boobu nga xamante ne foofu ngeen nekk nga nekk ci Olympiakos daanaka c'est le plus grand club euh, foofu ca Grèce euh, seen début championnat comment ça se passe. ça va alhamdulilah ça se passe bien benn match la ñu amagum ak un match de retard parce que comme euh, la finale de la coupe euh, dañ de décalé mm-hmm. donc euh, avant-hier il y a trois jours avant le match de Champions League les joueurs joué match championnat ils mm-hmm. ont gagné 2-0 mm-hmm. donc ça va quoi en ce moment Alhamdulillah. mais d'autres nga sa convocation pour match contre la Mauritanie du Sénégal non pour le moment pas de convocation instant yi présélection lañ dafa gum de convocation la mais Alhamdulillah pour le moment va moi et nous ont été présélectionnés. D'accord. Après, ça reste à voir pour la euh, convocation officielle. Hein. D'accord. Euh, Pape Abdou Ngalon, je joué euh, Sénégal championnat local bi lan nga ci peux Waouh, wax. waaw di ko euh, di le tout a période de tournée. comme comme ni ñu ça a touché partout dans le monde euh, le Covid 19 na ni euh, c'est vraiment dommage mais je pense que comme euh, tous les championnats ñu ngi reprendre j'espère inchallah pour le championnat sénégalais dina reprendre euh, dans les plus courts délais pour que les joueurs euh, puissent s'exprimer à nouveau et nous a le football du foofu tamit d'accord Donc, Kara ah, Boy Pikine genre moi je l'appelle Boy Pikine

un Diamono, on a vu qu'avec toi vous avez remporté beaucoup de trophées à ñi nga Pékin. comment tu juges par rapport à la performance quand on tu vois seen Diamono ak Diamono ji niveau championnat Sénégal comment tu le juges si c'est gis-gis Benen ponk bi chaque année ñu ne à Abou de jugee fi nga ne équipe Olympiakos, Olympiakos dem une équipe Arsenal Arsenal. nañ ko fii une équipe aujourd'hui fan nga également du est-ce que a ngi xalaat peut-être saison Bignon parce que pour l'instant Boudé des Armes, mercato yi am na yu war a ñëwaat après ba par rapport à ta carrière aussi. On a même parlé de Lille aussi. De Lille aussi, oui. Mhm. Waouh euh, Tout d'abord, première question <coughs> Euh, champion Sénégal période de may joué non? noonu d'expérience. ay ay joueurs expérience Avec euh, beaucoup de talent ay joueurs yoo xamante ne Wow, euh, Waouh Nous ñu doxal championnat du bas. donc aujourd'hui si je me dis que c'est championnat de période bi il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent donc c'est intéressant d'une attaque euh, sur le football aussi euh, mu a progresser surtout foofu et surtout euh, à l'extérieur donc c'est quelque chose d'intéressant pour moi donc pour le niveau bi voilà ça reste le même même si bi may nekk foofu noonu ak une grand expérience là doon jeune aussi je fais partie des des du joueurs donc ñu ma mag rek laa doon mais là, je vois que les championnats Sénégal, euh, il y a, plus, que, plus de jeunes en ce moment que Péret Bognon. Et je pense que le niveau Mouy qui cette année, avec quelques matchs, avec Speaking, avec euh, d'autres matchs, Tengue FC, avec Génération Foot, je vois que euh, dans les sentir le football nous gëna développer les joueurs amènent plus d'envie et surtout avec le football Khalil Tamet. match de notre rythme donc voilà je pense que c'est le même niveau mais il y a toute une différence par rapport au rythme par rapport à à l'envie, etc. Donc ça veut dire que jouer du football tenu juste pour râler, euh, ça veut dire non, mais jouer pour montrer que c'est un talent exprimé. Et c'est ce qui est intéressant pour moi. En termes de transfert, Tonkara que koy wax nous ñu annoncé chaque année dans nee Arsenal bi gagné euh, fële Emirates, euh, Lille récemment là suis content nga ci am ban moo gën avancé ci ak wala club nga a attaqué la pour le récupérer Pape Abdou waaw comme ni ma ko waxee rek chaque année période mercato noonu lay demee xam nga day day bouger par rapport ak euh, les médias et cetera mais lu si bëri ay rumeurs lay nekk bon récemment ren moom euh, c'était euh, quelque chose officiel, ils ont fait des offres et tout mais club bi ma nekk aussi mu club boo xamante ne nii dama nekk sous contrat. ren nga wax des fois du may bëgg sax di si avancer tellement. ban club nga wax ren des fois du may bëgg di si avancer. waaw ren ren la woon ok d'accord.

Euh, du dégg muy wax euh, carrément des fois il faut pas aller au charbon il faut pas aller au charbon avec euh, club ce club actuel club bi sous contrat dafay laaj tamit ay négociations ay donc si le club compte sur toi mën nañ le bloquer mhm. donc je pense que ça fait le c'est mon cas en ce moment club bi Moté ma téye parce que peut-être il compte sur moi. Mais après, on verra, parce que Desna a une journée pour le mercato. Ah, ça reste 10 jours. Et puis voilà, maintenant il concentre pour le moment sur l'Olympiakos. Ouais. Ok. Tale, mhm. question pour, euh, pour euh, euh, Pape Abdou parce qu'à un moment donné dans une carrière faut am tournant Il dafay am un xam ne aussi tamit nit booster le ou même ton agent c'est-à-dire que c'est lui qui doit aller au charbon Ce n'est pas le joueur parfois qui doit aller au charbon il peut négocier dem wax ak dirigeant yi moom mu xam yow dama da nga am carrière boy mené et à un moment donné ñu fi nek rek parce que gis nga euh, Pape moi j'ai eu la chance de connaître plusieurs générations et avoir un vécu en Europe gis nga tay football dafa tollu fo xam ne ñep ku nek sa intérêt ngay gérer talent bi la yalla di may mom dafa am moment bo xam yow yaay provoquer affaire bi pour génn ci parce que nous souvent africains on est trop paternalistes. Tout le monde dañuy endormir oui, le dit le président comme la dom la comme lui comme là comme mais il la amal mais il faut que l'Église ait son propre intérêt parce que dans les années 80, 2000, 2000, ça n'a pas changé jusqu'à présent nous africains nous dañ fait rek comme récemment je ne veux pas citer le cas mais souvent nous avons dit que le président bi daf toujours comme doomam pourquoi à moi, il faut que agent bi nga ne gérer ses intérêts, qui Sinon, non sinon d'autres entraînent. on dirait que Koulibaly avec le président de hein. mais même Sadio Mané. bi dem Salzbourg. Thierno Seydi daf ko faut wàccal ci bus bi. dem jouer ji ak euh, par force da ngay Metz di wax mu non day parce que ce ñu proposé duñ fi di hésiter. Et parfois, c'est le rôle de l'agent. Le jour, il doit être couvert. Ça il doit être avoir protégé. de suite, hein. match léegi mais on va avoir tout de suite Sadio Mané, il m'a fait la confirmation. Mais, Dès qu'il arrive rek, su guddiwul trop, on va l'avoir. Et je mais, pense qu'on va l'avoir. Mais c'est important parce que nous nous, parfois aussi tamit il faut que sachions que ne loolu métier la sunu liggéey et que parfois aussi tamit carrière bi dafay gàtt.

mais comme euh, ni nga des fois tamit euh, doo xam fu affaire yi di tagee doo xam fu affaire yi di taxawee donc euh, mon agent xam mon pour man lay liggéeyal quoi pour man maa ko tax a jóg moom mu ngi nekk si sama côté di liggéey bu mais comme ni nga je waxee rek xam joueur bu sous contrat d'après le peu d'expérience bi ma am joueur bu nekkee sous contrat c'est bu fait que sa agent dafa bëgg dem di xeex aussi ça nga compliqué au final le dernier mot club est prêt am parce que le coach bi décidé rester resté président bi décidé de rester après day y lo des ni qui ont été dem du meuna a bras de fer quoi mais après comme li ñu wax rek négociation yi tamit ça peut venir de partout ça peut venir même de mon agent et ça peut venir aussi de moi-même parce que aussi euh, ça fait bientôt trois ans et demi ma nekk Olympiakos et euh, comme ni ko je suis bien aimé ici donc il euh, y a possibilité madame dem gisante présente. bi même fait que agent bi dem na bras mais bon lépp xam nga ni ni comme ni ko rek c'est vrai période bi la yàlla di tàcc saa yi noonu si nga war a mën a exploiter sa sa oh, sa sa sa sa mbir après bon nii la demee daal pour le moment de mon côté mais ñu ngi sant yàlla après gën a taal xanaa nga def si ñaan rek. incha allah sa sa Ndiaye. waaw Pape maa ngi lay wax jërëjëf. waaw jërëjëf ça va. waaw léegi nag affaire yooyu il faut que Talla wax na ko léegi Talla wax na ko léegi moom xam na xam na sama vécu tuuti si football. Mm-hmm. damay nekk Monaco nekk naa Sénégal noonu la demee ba ñu joué coupe du monde club yu Angleterre bëggoon nañ ma. Mm-hmm. wante léegi nag luy problème bi mooy club bi la yor. Mm-hmm. moom day laaj lu plus. Mm-hmm. que yow lu ñu la jëndee woon ak lu ñu la amoon du loolu. ba yow sa carrière mu jóge sa carrière da koy mujjee tag foofu. yow léegi il faut que yow nga xam il faut nga wàcc yow il faut nga wax ak manager bi ñu wàcc. yow ñoom ñi am yow nga wàcc nga dem wane waat sa talent feneen. fi nga nekk dafa làqatu. su nga nekk dafa làqatu mhm. ak gis ngay joué équipe nationale gis naa seetaan nga talent boo xam ne mun nga joué Angleterre mun nga joué Allemagne mhm. sa taille may na la ko mhm. man dama lay conseil si loo xam ne moom laa jaar ak rigueur bi ak football loolu nag mooy yow yaay yaay jël sa ni nga wax il faut conseil am na wante conseil bi yow yaay si yow yaay ñëw waxtaan ak ñoom ñoom ñu mun la libérer pour ñu mun ñu ñu mun la gën a gis ñu la ñu bëgg di la gisaat

waaw ok bon man analyse vidéo là, bon liggéey naa seen ay match yu bëri xam sa potentiel tu es fort dans les duels la relance elle est excellente yooyu yëpp ñu ngi mais je pense aussi que ni c'est le moment te à t'entendre parler mooy amuloo bon de sortie je pense que depuis deux ans tu es sollicité léegi nag sollicitation bi ba nga deux ans il faut nga ñu waroon trouver consensus ak président bi mën naa eggali mais déwén da may bàyyi. Mhm. wala bu ñu fayee temps bi nga dem. Mhm. mais mënuñu toog après nga nekk dans la réactivité. Mhm. après bon si ay humeur am lay dépendre quoi à partir de fof, la ñu trouver ay consensus man loolu laa gën a xalaat léegi bon man loolu sa avis entre yow ak ce agent ak sa entourage est-ce que eggoon ngeen si statut boobu noonu ak euh, ban championnat nga gën bëgg jouer quoi. waaw maa ngi rafetlu cadre bi encore une fois di wax ne lépp yéene la rek gis na lu baax rek xam ak sama progression aussi mais incha yalla yàlla dina motal mais comme ni ngeen ko waxe aussi c'est vrai donc euh, comme ni ngeen ko waxe yéena bon am ngeen euh, plus d'expérience que moi par rapport au football par rapport au transfert et tout parce que c'est mon premier club le xamantene ni euh, club bu mag mais comme ni y koy rek chaque championnat dafa am ay réalité comprendre y a aussi une différentes euh, façons de faire ak façon de faire les transferts et tout récemment ñu ngi jaay benn jour boo xamante ne on s'attendait pas que day dem comme Kao Timikas le mec qui a signé à Liverpool donc euh, nekk na ay ay business yoo xamante ne nii xam nga non Grèce noonu quoi. mais repéré Yann Mvila. voilà Mvila, Villa mu dernier dernièrement aussi mhm. xam nga recrutement la boo xamante ne on s'attendait pas mhm. à ce que moom mu ñëw mhm. après ñu am coach boo xamante ne aussi tamit dafay bokk si euh, si si si si transfert c'est si période transfert yi di si joué lu bëri bon man xam naa nekk naa si club bu je suis familier un petit peu xam naa mu fiy doxee des fois mais bon ñu ngi ñu ngi liggéey si côté de yëpp pour rejoindre aussi euh, si question Moussa bi par rapport que euh, consensus bob ngay wax ñu ngi chaque fois des des deals mais euh, malheureusement l'année dernière dama toog euh, trois mois à mois mot. après des nombres de matchs yoo xamante ne su ma ko defoon dina permettre ah, aussi tey jii ma ma après sortie si le doon facile mais après vraiment, blessure moi aussi l'air. Du coup, euh, au final, j'ai essayé de m'attraper pour finir la saison en beauté. Mhm. Au final, j'ai gagné le tableau, championnat, avec le coupe. En plus, il y avait l'Europa League. Mhm. Donc, euh, c'est pour ça que je me concentrer aussi pour l'année Bon, on commence une nouvelle année avec Covid qui a fait le nom. C'est vrai qu'il y a des transferts qui, se font. Mais là, pour le moment, c'est mon, mon souhait de partir parce que j'ai dans l'Olympiakos. Donc, euh, j'espère que ça va le faire. Sinon, après, comme ça, le foot, nous rester euh, une année de plus ou une demi-année. Après, on verra ce qui va se passer. Mais euh, nous sommes ligués au bar. Quoi. Merci, merci, Pape bon, Abdou. Comme mhm. ok. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Pape. Vas-y, vas-y, vas-y. Uh ah, -huh. Ah. Ouais, vas ouais, euh, championnat de rêve. Bon, mhm. si aujourd'hui je me retrouve en Grèce, bien que je un championnat de rêve. Mhm. franchement je naa ne fu ma mën dem rek war naa fa mën euh, imposer sama bopp pour mën football quoi. inshallah mais en espérant aussi euh, jouer en première ligue pour euh, mhm. pourquoi pas. en tout cas am nga talent bi am nga qualité yi et on te le souhaite ñu ngi la koy ñaanal vivement nga rejoindre li nga xam tane ne la première ligue. éventuellement rejoindre aussi la Ligue 1 française merci Pape Abdou ñu ngi lay jaajëfal di le souhaiter une très très très bonne soirée merci Pape.